Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour et merci de votre fidélité au programme de nos différentes radios partenaires. Je suis Olivier Assobavi et aujourd'hui je suis avec Ali Tajissir pour la présentation de votre rendez-vous Le Niger sur Kalangou. Une émission préparée par toute la rédaction du studio Kalangu en compagnie avec nos différents correspondants dans les régions du Niger. Tout ceci pour vous offrir une bonne dose d'infos et de divertissement. Ali bonjour, comment vas-tu ce matin Bonjour Olivier, je vais bien. Bonjour également à toutes nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Je suis tout particulièrement heureux de conduire cette aventure radio Dinner Chrono qui nous amènera dans diverses régions du Niger à travers les reportages, les rubriques et grâce à nos correspondants. Olivier, qu'avons-nous au menu de ce rendez-vous Qui est notre invité du jour et qu'allons-nous débattre avec elle Dis-nous tout. Avant tout, merci à Seini Isaka qui gère la technique et l'édition qui est gérée par Adama Dawaki. Chers amis auditrices et auditeurs, l'invité du jour est une femme à double casquette. Responsable d'association et passionnée du métier de la communication, elle est responsable de l'agence Afri Consult. Elle est maîtresse de cérémonie, dans la rubrique portrait, Farid Boureima nous propose le portrait du jeune humoriste Amadou, l'homme polyhybride, un jeune comédien et présentateur d'événements. Pour le reportage en région, Moutari Mahamadou nous propose un reportage dans la ville de Niamey. Et tenez-vous bien, il nous fait voyager dans le marché mythique de Katako. Et pour commencer l'aventure de ce matin, nous accueillons Rafika Ataer pour le Flash Info. Rafika, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Alors, euh, nous allons commencer avec euh, un bandit armé qui a été mis hors d'état de nuire et ses complices activement recherchés. Selon Aïr Info, un autre groupe de bandits armés a été défait hier 4 avril vers Kirboubou à 40 km d'Agadez lors d'un braquage de véhicules. Au nombre de trois, un a été pris et les deux autres ont pu prendre la fuite. Ensuite, les travaux de l'atelier régional de capitalisation des expériences du programme de renforcement à la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrente au Sahel ont été ouverts hier au centre Agrimet de Niamey. Il s'agira au cours de cette rencontre d'établir les échanges entre les coordinations nationales et les différentes partie prenante du projet en vue de partager les expériences sur les bonnes pratiques de résilience mises en évidence par les sept pays bénéficiaires et sur la composante régionale afin de tirer des leçons apprises. Les résultats attendus de cet atelier permettront d'enclencher efficacement le processus de formulation de la deuxième phase du projet, rapporte le Sahel. Enfin, le lancement d'un important projet de construction de logements sociaux. Dimanche, le président du conseil de la ville de Maradi a procédé à la la pose de la première pierre pour la construction d'un important complexe d'habitation. Ce complexe sera composé de 144 logements entièrement équipés un forage de grande capacité, une grande mosquée et un centre de santé équipé de dernières technologies. Ces logements seront destinés aux personnes vulnérables de la ville de Maradi, selon le journal La Ligne Le Souffle de Maradi. C'est tout pour le flash d'information de ce mercredi 5 avril. Excellent moment en compagnie des programmes du studio Kalangu. Merci Rafika pour ce flash d'infos qui nous lance pleinement dans le Niger sur Kalangou de ces jours. Une émission préparée par la grande équipe du studio Kalangu. L'invité que nous recevons aujourd'hui fait partie des internautes les plus suivis et actifs des réseaux sociaux nigériens. Elle est la présidente du réseau Afrian Niger et aussi maîtresse de cérémonie. Elle est également responsable de l'entreprise Afri consulte, Ouais, j'y arrive. Et c'est d'ailleurs dans cette entreprise qu'elle développe des services de maîtresse de cérémonie. Et d'ailleurs, c'est de ce métier que nous allons parler avec elle. chère amis auditrices et auditeurs, Nassira Soumaïla est notre invitée du jour. Bonjour Nassira et merci d'avoir accepté notre invité. Merci beaucoup euh, Rafik. Ali. Ali, et Rafika <laughs> et Olivier. Voilà. J'y arriverai aussi. <laughs> Avant d'entamer cette première partie de l'interview avec vous, je vous propose de suivre ensemble la rubrique Conseil de Ramadan. Et aujourd'hui, Oustaz nous parle de l'i'tikaf. Pratiquer l'i'tikaf consiste à se couper complètement de ses activités quotidiennes pendant les dix derniers jours du mois de Ramadan. Pendant cette période, le pratiquant doit se concentrer dans l'adoration à travers les zikirs et la lecture du Coran. Plus de détails avec le prédicateur Oustaz Aladou Yaya, joint au téléphone par Awa Ousmane. L'ITKAF euh, consiste à quitter les activités de la vie quotidienne pour se rendre dans une mosquée centrale comme la mosquée de vendredi, dans l'objectif de se vaquer à l'adoration exclusivement d'Allah subhanahu wa Et on se concentre dans la multiplication des bonnes œuvres qui sont la lecture du Saint-Coran ou le cycle de façon générale, la prière surrogatoire, enseigner ou recevoir un enseignement. Donc, euh, l'objectif est de chercher à s'approcher de la soirée à lui plaire. Donc, l'itikaf a des avantages spirituels. L'itikaf débute dès le soir de la 21e du mois béni de Ramadan. ça dure tout le long de la dernière décade. Merci beaucoup, Awa, qui a réalisé cet entretien explicatif, une, interview que nous espérons utile pour les jeuneurs qui nous écoutent. Nous allons entamer la première partie de notre interview avec notre invité du jour, Nassira Soumela. La première question est la suivante. Comment a commencé votre aventure de maîtresse de cérémonie Merci beaucoup Ali. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai envie d'être modeste et dire que c'est venu naturellement. Mais... <laughs> alors, je me rappelle de mes débuts, c'était en 2009. J'étais en classe de première et j'ai adhéré à la Jeune Chambre internationale à la Jeune Chambre internationale, on nous donnait beaucoup de formations sur les techniques d'art sur la maîtrise de cérémonie, sur les techniques de communication. Alors c'est là-bas que mon aventure a commencé. Alors quand j'ai quand j'ai quand j'ai reçu les formations, je regardais les, meilleurs maîtres de cérémonie à l'œuvre et je me disais qu'un jour, je pouvais être sur ce pupitre et m'exprimer comme ils étaient en train de le faire. Et je pense qu'avec le temps, j'y suis arrivée. Et euh, j'ai aimé voir les autres faire la maîtrise de cérémonie et c'est devenu au fil du temps une passion pour moi. J'ai aimé et je m'y suis mise. Parfait. Il y a aussi cette envie, quand on te, quand on te connaît, il y a aussi cette envie de mettre en avance tout ce qu'il y a de positif au Niger, c'est-à-dire l'excellence nigérienne. Est-ce que ça aussi, ça a pesé dans la balance pour que tu choisisses le métier de maîtresse de cérémonie Je dirais oui, parce qu'en tant que femme, j'avais quelque part besoin de montrer aux gens qu'il n'y a pas que les, hommes qui puissent faire la maîtrise de cérémonie. Nous avons aussi les compétences. Et c'est pour moi euh, une façon de m'affirmer, devant la toile, une façon de m'affirmer devant, de devant tout le monde et de leur dire si j'ai pu le faire, quelqu'un d'autre peut le faire. Donc oui, euh, quelque part, j'ai senti qu'il y avait une certaine discrimination et je voulais m'imposer et montrer aux gens et montrer à la toile que nous pouvons le faire en tant que femmes et que les gens pouvaient aussi emboîter le pas. Ce n'est pas sorcier, si vous pouvez le faire, nous pouvons le faire aussi. Est-ce qu'à part toi, il y a d'autres dames qui font ce, métier. Est-ce que vous êtes euh, dans le milieu aujourd'hui, quand on prend sur euh, échelle de, de 100 présentateurs, 100 euh, maîtres de cérémonie, combien de femmes on, environ peut avoir Sur les 100, on peut avoir une vingtaine de, de, de, femmes qui sont maîtres, maîtresses de cérémonie. Et on n'est pas nombreuses au Niger. Hmm. Je disais particulièrement à Niamey, où je maîtrise un peu le, circuit des, des maîtres et des maîtresses de cérémonie. Alors à Niamey, j'en connais. J'en mm. connais quelques dames, mais elles ne sont pas nombreuses. Mm. Oui, parlant de, davantage de ce métier-là, est-ce que ça vous procure davantage euh, le métier de maîtresse de cérémonie Ce que ça me procure, c'est de la visibilité surtout. C'est toujours un honneur pour moi quand je me fais appeler par les, des ministres, par des ambassadeurs pour venir animer leur cérémonie. C'est quelque part, ça me prouve que je suis compétente dans mon domaine, c'est pour cela qu'ils font appel à moi. Et ça me permet beaucoup d'ouverture. Je suis présidente d'une organisation de jeunesse qui a un level international. Et pour moi, c'est vraiment un cahier d'adresse aussi que je suis en train de, constituer à travers toutes les maîtrises de cérémonie que j'arrive à gérer. Oui, Olivier, nous allons mettre une pause et nous allons revenir pour la suite de cette interview. Chers auditeurs et auditrices, c'est le moment pour nous d'écouter les conseils du nutritionniste Sani Al-Hassan. Aujourd'hui, notre reporter Mani Moussa de la région de Difa, on profite de faire un coucou à tous nos amis qui nous écoutent de Difa. Mani Moussa est allé rencontrer un nutritionniste qui nous entretient sur les bonnes pratiques digestives. La communauté musulmane est dans la deuxième des quatre du mois béni de Ramadan et ils sont nombreux les génères qui, après la rupture, se gavent le ventre. Sani Al-Hassan, nutritionniste à la direction régionale de la santé de DIFA, nous donne des conseils pratiques pour une digestion. Il est interrogé par Mani Moussa. Il est conseillé de préparer l'intestin pour la digestion. Donc il doit prendre un certain nombre de fruits qui sont disponibles sur le marché en fonction maintenant de la capacité de la bourse de l'individu. Donc c'est les fruits là qui sont recommandés avant d'aller euh, directement consommer les aliments de base. Il y a la carotte, il y a euh, les oranges, il y a aussi les pommes, pour ceux qui en ont les moyens. J'ai vu, il y a de la poire, il y a tout ce qu'il y a quand même sur le marché qui peut être un fruit quand même peut passer. C'est après ce fruit, donc l'organisme maintenant a pris, euh, s'est réadapté par rapport à, euh, le fonctionnement de la digestion. Donc la personne peut manger encore des choses qui ne sont pas très lourdes, notamment la préparation à base de moringa. Ça c'est très conseillé. Merci pour cet tendre et beau conseil, chers amis auditrices et auditeurs. Vous êtes dans l'émission Le Niger sur Kalangu et vous nous écoutez grâce à nos différentes radios partenaires. Avant la pause conseil, nous échangeons avec Nassira Soumaïla, notre invité du jour, et aujourd'hui nous échangeons autour du métier de maîtresse de cérémonie. Alors la question suivante est là. La plupart des temps que moi je vu maîtriser une cérémonie, déjà le public c'était un public avisé, du coup la langue choisie était la langue française. Comment on choisit sa langue pour animer tel événement ou tel événement alors, j'ai eu à travailler avec beaucoup de partenaires et ça dépend de ce que le partenaire vous demande. Et chaque fois quand nous travaillons sur, sur une maîtrise de cérémonie d'un événement ou d'une cérémonie officielle, il y a tout ce qui est documentation qui vous est déjà remis au préalable pour que vous puissiez vous préparer. Alors, bien évidemment, les, cérémonies, la majeure partie des cérémonies que j'ai eu à animer sont en français, mais j'ai eu à faire quand même des cérémonies en anglais. C'est comme je l'ai dit, ça dépend de l'auditoire que j'ai en face de moi. Mais par exemple, si je dois aller, euh, je fais beaucoup de sensibilisation si je dois aller sur le terrain pour donner des sensibilisations, ça dépendra de la cible que j'ai en face de moi. Là, on va aller directement en langue. Ça sera soit en Zarma, soit en Hausa. Et s'il y a une langue que je ne maîtrise pas. Comme le Tamashek, par exemple. Le de <laughs> Ali, <laughs> que je ne maîtrise pas, il y a toujours parfois des traducteurs qui sont avec nous sur le terrain pour nous aider. Mais la plupart des maîtrises de cérémonie que j'ai eues à animer à Niamey, et même à l'international, c'est en français et en anglais. Alors, Nassira, euh, euh, par rapport à votre expérience aussi vos prévisions, quel est l'avenir de ce métier de euh, maîtresse de cérémonie au Niger Je vais être très optimiste et dire que le métier a de l'avenir. Je le dis parce que je ne pensais pas arriver là où je suis aujourd'hui. Je suis arrivée à un stade où... C'est là, dedans je gagne. <laughs> c'est Mais oui, bien sûr, je gagne l'argent dedans. Bien sûr, et je suis arrivée à un stade où parfois les gens ils font des réservations deux semaines, trois semaines en avance ou un mois ou deux mois pour dire on veut te caler sur tel événement. Et parfois ils me font le chèque pour être sûr que, je, serai, là, que je serai là. Et je, je, pense que tout ça, c'est parce que quelque part, j'ai démontré que j'avais des compétences. Mm-hmm. Et en dehors de cela, il y a eu beaucoup de cérémonies pour lesquelles je suis aller postuler. Ils demandent plusieurs factures pro forma, de plusieurs maîtresses ou maîtres de cérémonie. Mhm. C'est un, appel d'offres. Je postule. Donc c'est une compétition. C'est une compétition. Et même si pratiquement presque tous les maîtres et maîtresses de cérémonie ont les mêmes tarifs, mhm je suis prise. Mm. Et c'est quelque part une fierté. Et quand je balance les photos sur mes différents réseaux sociaux, mais les gens me disent Waouh, ce que tu fais est impeccable. Et beaucoup de femmes m'approchent pour que je puisse les former par rapport au métier de maîtrise de cérémonie, mm. par rapport aux techniques d'art oratoire, des formations que je donne à beaucoup d'organisations de jeunesse d'ailleurs, mm. d'où je suis arrivée à créer Afrique Consult. On va revenir sur ça, mais pour le moment, justement, là, tu parles des femmes des jeunes qui nous écoutent. Et tu sais, le studio Kalango fait partie des médias les plus écoutés au Niger. On est partout au Niger déjà, grâce à nos médias partenaires. Et beaucoup de jeunes nous écoutent en ce moment. Et ils se demandent probablement ben, comment devenir une Nassira soumela. Alors la question est la suivante. Pour les jeunes qui nous écoutent actuellement, beaucoup penseraient que avant d'être maître de cérémonie, il faut forcément bien parler le français. Or, cela ne suffit pas. Outre les critères linguistiques. Que faut-il avoir comme compétences ou prérequis pour faire ton métier Alors, l'éloquence est primordiale dans le métier de maîtrise de cérémonie. Et je dirais aussi que le français aussi est important. Mm. La langue dans laquelle vous allez animer votre, maîtrise, votre événement mm. est très importante. Il est important de maîtriser cette langue-là. Parce que vous ne pouvez pas venir devant des autorités, des ministres, des ambassadeurs et tergiverser sur la langue ou vous permettre de faire des erreurs. En matière de maîtrise de cérémonie, les erreurs ne sont pas permises. Mhm. Là-bas, ça tape fort. Mhm. Parce que quand tu viens, et même quand vous faites des erreurs, il faut toujours trouver un moyen smart de pouvoir vous rattraper. Super. Euh, par rapport euh, au risque même euh, du métier et les difficultés, certainement vous avez rencontré beaucoup de difficultés dans ces métiers. Quelles sont les difficultés alors, au début, les difficultés que j'ai rencontrais le plus souvent, c'est que, bon, écoutez, c'est une femme et euh, elle n'a pas d'expérience. Et c'est vrai, beaucoup de personnes ont du mal à se lancer avec une personne qui ne dispose pas d'expérience dans le domaine. Parce qu'ils se disent que tu es novice et ils ont peur du risque, effectivement. Et parce que c'est un métier aussi qui t'expose tout de suite. Ça t'expose. Et quand tu fais une erreur, tu exposes aussi l'entreprise pour laquelle tu es en train de faire la prestation. Donc beaucoup de personnes ne veulent pas aller vers le risque. Donc avant même quand je proposais mes services, ça ne passait pas. Mais grâce à des amis, grâce à mon entourage qui a eu vraiment confiance en moi, ils m'ont proposé de passer vraiment à l'action. Hmm. Et là, j'ai eu à animer des maîtrises de cérémonie et j'ai intensifié sur la communication. Hmm. Sur tout ce que je fais, je communique. Et plus les gens voient que vous, êtes, vous avez de l'expérience, plus ils vous approchent. Plus ils vous font confiance. Ils, vous font confiance. Mais euh, en dehors de cela, je ne rencontre vraiment pas assez de difficultés sur le terrain par rapport aux différentes prestataires que je rencontre. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, cette euh, compétence que tu as aujourd'hui, c'est vrai, tu l'as apprise grâce à, hum, à, la Jeune Chambre internationale, est-ce que c'est quelque chose que tu penses qu'il faut enseigner à l'école, dans nos écoles, dans nos centres de formation. Un programme académique Oui, un programme académique. Dans les curricula scolaires ouais. Euh, moi, je dirais, il y a, bon, en parlant de curricula scolaire, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre dedans mhm. entrepreneuriat, mhm. communication. Parce que tout ce qu'on nous apprend à l'école, c'est euh, comment dessiner un criquet, la Première Guerre mondiale et tout. Il faut qu'il y ait des réalités socio-économiques qui soient intégrées. Et je pense que l'art oratoire, pas uniquement la maîtrise de cérémonie, l'art oratoire doit en faire partie. Il faut apprendre à vos enfants, à nos enfants dès le bas âge, à s'exprimer, à bien s'exprimer, y compris devant des, interlocuteurs, y compris devant les, les, parents, y compris devant une assistance lors de, des différentes activités mhm. culturelles avec les amis. C'est à la base que ça s'apprend. Quelqu'un qui rate sa base et un art oratoire, en façon de parler, en français, avec la langue française, aura du mal plus tard à faire de la maîtrise de cérémonie. Tu pourras toujours faire de la maîtrise de cérémonie, mais ça sera avec beaucoup de lacunes, avec beaucoup d'erreurs qui seront difficiles à rattraper avec le temps. Donc oui, je pense que normalement, l'art oratoire et les techniques d'art oratoire doivent être introduites dans les curricula scolaires. Je te suis sur les réseaux sociaux, je sais que beaucoup de personnes aussi te suivent et on sait que tu as des inspirations sur le continent. On sait qu'il y a des gens qui t'inspirent. Est-ce que tu peux nous filer le nom ou bien je ne sais pas Qui sont ces gens-là qui t'inspirent tout simplement Oprah Winfrey. Ah ouais, <laughs> c'est logique, non ah, C'est logique. <laughs> <laughs> Donc, j'ai l'habitude d'entendre les amis dès que je fais une publication sur les réseaux sociaux. Je leur fais un coucou d'ailleurs au passage qui me disent là, Oprah Winfrey du Niger. Mm. Oui, je l'admire cette dame par son charisme, par son éloquence, par son, sa prestance. Peut-être je serai la prochaine Oprah Winfrey du Niger, qui sait <laughs> C'est bon de rêver, donc rêvons grand. Rêvons seulement. <laughs> Merci beaucoup Nassira pour ce moment passé avec nous. Mais nous ne pouvons pas te laisser partir sans te demander aujourd'hui quels sont les conseils à l'endroit de ceux et celles qui nous écoutent et souhaitent lancer un business, ah suivre leur passion ou justement rêver Quels sont les conseils que tu peux donner à ces gens qui nous écoutent Je dirais qu'il faut, il faut, il faut pas esquiver ses envies. Il, faut aller, euh, il faut savoir prendre des risques. Parce que si je n'avais pas bravé ces risques-là pour dire que je vais quand même essayer, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui, Kalangu Studio n'aurait pas fait appel à moi. Hmm. Alors oui, dans la vie, il faut prendre des risques. Et euh, aller vers euh, le métier qui vous plaît le plus, c'est aussi pour un premier pas prendre, les, prendre le risque de réussir hmm. ou hmm. d'échouer. Mais c'est votre choix. Et le choix que je porterai, c'est de prendre le risque. prendre le risque ou pas, je dirais prenant le risque. Et euh, soyons ambitieux rêvons grand. Je ne vais pas me dire que je commence ça au cas où ça ne marche pas. Bah écoute, j'aurais quand même essayé. Non, au cas où ça ne marche pas, je vais encore réessayer, réessayer encore une fois, jusqu'à ce que j'arrive, j'arrive au bout de mon rêve. Parce qu'un rêve, ça se nourrit et on ne laisse pas tomber. Moi, je j'ai refusé de laisser tomber. Et je fais tellement de maîtrise de cérémonie en tant que consultante indépendante et je, paye mes taxes, s'il vous plaît, sur chaque prestation. Il y a des taxes qui sont prélevées sur les factures. Je les paye et on me prélève à peu près 5%, parfois plus. Ça dépend de la prestation. Et alors, j'ai créé AfriConsult. Afrique Consult. je l'ai créé et c'est vraiment un cabinet hmm. de prestations de services et euh, de formation en technique d'art oratoire, de, formation sur le métier de maîtrise de cérémonie, de recrutement dans le domaine de la communication. Et franchement, je me dis que j'ai osé. Aujourd'hui, je, je me suis officialisée aux yeux du monde. Et je peux être fière de me dire, là où je suis arrivée aujourd'hui, c'est grâce à mon courage. Et tu sais, s'il y a quelque chose que tu sais bien faire dans tes maîtrises de cérémonie, tu arrêtes les gens quand tu veux. C'est important. Et c'est la même chose que, je voulais te faire. Merci Olivier. <laughs> là, c'est un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau. Sache très bien que l'équipe du studio Kalango est avec toi. On te souhaite du courage comme on le souhaite à tous les jeunes Nigériens et Nigériennes qui entreprennent quelque chose. Bah, bonne aventure et bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditrices et auditeurs, nous allons continuer sur Niger serkalangou Nous allons poursuivre avec les reportages hebdomadaires et aujourd'hui, notre sujet est environnemental. La ville de Niamey dispose désormais d'une plateforme numérique qui offre des informations sur le réchauffement climatique. Ces informations permettront aux décideurs de prendre des mesures d'adaptation pour un développement durable et résilient de la ville de Niamey. Un reportage signé à Soumanachina. Développé par le Centre africain des applications de la météorologie pour le développement ACMAD avec la collaboration de son partenaire technique Vito et la mairie, cette plateforme est désormais disponible. Godefroy, expert en météorologie au Centre ACMAD, explique la procédure d'accès à cette plateforme dénommée Urban Climate Information Platform UCLIP. La plateforme Uclip, il suffit seulement d'aller sur le site uclipmelvin.bvito et puis vous enregistrez en ayant votre email et mot de passe et vous choisissez le secteur et après, il y a un mail automatique qui vous revient pour valider votre identifiant et mot de passe et là, vous pouvez naviguer, avoir des différentes informations qui sont sur la plateforme. La plateforme contient différents types d'informations sur le climat selon l'expert en météorologie. Il y a d'abord l'analyse des températures depuis 1981 en 2010, ça c'est les observations pour voir euh, les zones les plus chaudes, ou les zones moins chaudes sur la ville de Niamey, mais aussi on a associé les différents scénarios de 2041 jusqu'en 2061. Et donc, ça donne la projection sur le réchauffement aussi l'augmentation des températures. Et là, vous pouvez voir le nombre de jours de température supérieure à 40 degrés, le nombre de nuits supérieure à 30 degrés, les différentes températures de surface, mais aussi, ça vous donne aussi de plus l'information sur l'agrandissement de la ville qui montre vraiment en tenant compte de la démographie

de la ville de Niamey. Donc c'est un outil qui vous donne à l'horizon d'ici 2050 la moyenne de la population en fonction des différentes euh, projections qui sont recommandées, qui ont été élaborées par le, groupe d'experts sur le changement climatique, le GIEC. La plateforme est accompagnée aussi par les différentes mesures d'adaptation face au réchauffement climatique. Pour le coordonnateur de la cellule d'urbanisme de la ville de Niamey, présent à la cérémonie de la présentation de cette plateforme, la capitale du Niger vient ainsi de se doter d'un outil permettant aux décideurs d'agir face aux effets du changement climatique. Adam Abdou. Je veux dire que la ville de Niamey euh, s'est dotée à travers cette plateforme-là d'un outil efficace d'aide à la décision en matière de résilience, d'adaptation au changement climatique. Parce que vous savez que parmi les objectifs de développement durable, la question des villes résilientes est un des objectifs majeurs et il est important pour assurer cette durabilité, pour assurer la résilience face aux effets du changement climatique, que les villes aient des outils, que les villes aient des systèmes de mesure, des systèmes de contrôle de la question. Parce que dans la plupart des cas, beaucoup de gens pensent que c'est une question de mode. On parle juste de changement climatique et des effets du changement climatique. Or, on sait très bien que la question des vagues de chaleur, la question de l'augmentation de la chaleur dans nos villes est une réalité. Surtout à Niamey où des années, en tout cas, on a constaté pendant les fortes saisons chaudes, euh, beaucoup de décès. Les gens se l'ont remarqué, le disent, mais à travers l'étude qui a été faite, on est en train de démontrer comment cette vague de chaleur est en train d'augmenter. Le nombre de jours de forte chaleur augmente euh, au fil des ans et il est donc important que des mesures soient prises. Hassan Soumana, le chef du quartier Talagé dans le 4e arrondissement communal de Niamey, appelle la population à un changement de mentalité afin d'aider les autorités dans leurs efforts de lutte contre les effets du changement climatique. Nous avons été informés de tout ce qui se passe au niveau du changement de climat. Nous avons fait cette formation, ça fait la troisième fois. Maintenant, pour nous, c'est de retourner à la maison, dans nos quartiers, dans nos communes, restituer l'information sur la conséquence du changement climatique. Donc déjà, vous savez, la chaleur ne pardonne pas maintenant. Et surtout, les plus vulnérables sont les vieillards. Donc c'est pour cela que l'État veut à ce que les gens croient à cela et qu'ils changent leur mentalité pour un développement durable dans ce sens-là. Il faut que tout un chacun de nous pense à nettoyer la devanture de sa maison, les rues et tout ce qui s'ensuit. Encore, la meilleure des choses pour lutter contre ce climat chaud, il faut planter des arbres. Parce que les arbres nous permettent de respirer une bonne air. Pour cela que nous maintenant, nous demandons à nos parents, à nos amis, à tous les Nigériens de donner un effort et de planter des arbres pour un changement durable. Et nous voulons leur dire tout ce que l'État fait là, dans ce cadre, c'est pour nous. Cette plateforme sera élargie aux autres villes du pays à l'avenir. Elle sera aussi dupliquée pour les villes africaines. Le changement climatique n'est pas un effet de mots. telle est la phrase clé qu'on peut retenir de ce reportage. Merci China pour ce reportage, la cause environnementale reste un des défis majeurs de notre société, de notre génération. Et au studio Kalangu, nous vous proposons des reportages sur les différents efforts d'adaptation des villes et communautés. Chers amis auditrices et auditeurs, nous allons évoluer dans la partie rose de cette émission. Effectivement, la rubrique rose jusqu'au bout des ongles nous renseigne sur comment éviter l'accumulation des graisses de ventre. Également dans la rubrique rose, c'est les astuces de cuisine. Et aujourd'hui, nous saurons comment atténuer le goût épicé d'une sauce. Car des fois, quand c'est trop épicé, ce n'est pas bon. Plus de détails avec les femmes du studio Kalango. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagées par nos chroniqueuses. Salut, salut tout le monde. Moi, c'est Ruki. On va continuer de s'occuper de la graisse du ventre avec notre spécialiste Abdrazak Bello. Coucou les filles, moi c'est Fanta. Aujourd'hui dans l'espace astuces beauté, nous allons parler de comment se parfumer. Hmm, des astuces qui vous seront très utiles. Et avec votre chroniqueuse Bibi, nous allons voir comment atténuer le goût épicé de nos sauces. Ça, c'est pour l'espace cuisine. Comme vous le savez, hier, nous avons abordé les causes de l'accumulation de la graisse abdominale avec notre spécialiste en nutrition, Dr Abdrazak Bello. Eh bien, aujourd'hui, toujours avec Dr Bello, nous saurons comment éviter cette accumulation de graisse. Je vous laisse apprécier ses conseils. Pour éviter ce, ces dépôts de graisse, en modération par rapport à la consommation des produits sucrés. Et deuxième conseil que je donnerai euh, c'est de privilégier plus les aliments d'origine végétale plutôt que les aliments gras d'origine animale. La meilleure façon, c'est de pratiquer une activité physique de façon régulière. Donc 30 minutes de marche journalière, donc ça permet de, brûler les graisses qui vont vouloir se déposer au niveau abdominal. Hein, Rookie, let's go. Franchement, moi, ce côté régulier de, du sport là, c'est ça même qui me dérange. En fait, je sais pas pourquoi. Elle est une hein. en fait, c'est le sport même qui me dérange. Et voilà, là, c'est encore pire. Alors, en beauté, on a quoi aujourd'hui Aujourd'hui, Rabi, dans Astuce Beauté, nous allons apprendre à nous parfumer à la canouri. Ah ouais, Kanouri ah, girl, vas-y, on t'écoute. Donc pour cela, Rabi, on aura besoin d'un parfum concentré, huilé, de l'encens, au choix, de petits tabourets troués qu'utilisent les femmes canouri, de la crème corporelle parfumée, fait maison qu'on appelle colletien, de la humbra, ce parfum traditionnel à l'odeur suave et à la couleur noire fabriquée par les canouris. Donc, une fois que vous aurez tout ça, voici un procédé parmi tant d'autres que vous pouvez appliquer. Mais bien sûr, les dames, il va vous falloir du temps libre et aussi un peu de patience. Étape numéro 1, Rabi. À l'aide de l'encens, donc vous pouvez d'abord commencer par parfumer votre habit. Donc prenez tout votre temps, mettez autant d'encens que vous pouvez. Et l'un après l'autre, mettez des senteurs différentes. Peu importe mhm. le genre d'habit importe. Étape numéro 2, faites votre eau parfumée. Et pour cela, donc vous prenez un petit seau, vous mettez de l'eau juste assez pour vous rincer le corps et vous achetez du parfum concentré et puis vous mettez de côté. Étape numéro 3, vous prenez votre bain avec votre savon habituel. Étape numéro 4, vous rincez votre corps avec l'eau parfumée. Vous mettez l'encensoir sous le tabouret troué et vous vous asseyez dessus. Puis vous couvrez tout votre corps. Très important, il faut garder votre corps mouillé. L'eau parfumée ne doit pas être essuyée, mais, mais plutôt vous devez sécher en même temps que l'enceinte pénètre votre peau. Fanta, mais tout ceci, il faut faire attention euh, à ses allergies. Donc, il faut regarder les compositions de, Exactement, des, parfums que vous utilisez et aussi de la crème. Ok. étape numéro 5, donc vous appliquez le collet sur votre corps, ça c'est après l'encens, après vous êtes parfumé à l'encens. Étape numéro 6, habillez-vous et passez la umra sur vos vêtements. Donc attention, si vous avez peur des taches sur vos vêtements parce que la umra s'attache, et surtout ça ne s'utilise pas sur un habit blanc. Donc l'astuce ici, c'est de mouiller un petit torchon avec la umra et de le passer sur vos vêtements. Voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, euh, à très bientôt pour. en tout cas, ça, c'est une découverte. Ah oui, là, on va sentir comme une fleur, non plutôt comme un jardin. <laughs> on va passer à la cuisine à présent, Fanta. Après c'est bien parfumé, bien sûr, il faut manger maintenant. Voilà. Et chez nous, justement, on aime bien manger épicé. Le piment, ça te dit quelque chose, Rookie Ah, j'adore le piment. <laughs> ben voilà, c'est ce que je disais. Le piment fait partie des assaisonnements favoris chez nous. Il demande cependant une maîtrise, sinon on peut tout gâcher. La blogueuse culinaire qui nous accompagne sur cette rubrique, Juma Khadija, merci encore, nous parle ici euh, d'une astuce qui va aider beaucoup de soeurs. On écoute. Quand tu finis de faire une sauce et tu te rends compte que ta sauce est trop épicée, il y a trop de piment dedans. Donc en ce moment, ce qu'il faut faire, c'est de chercher de la tomate fraîche que tu découpes en gros morceaux, tu jettes dans la sauce. Tu attends que ça mijote et tu retires après. En fait, le fait de mettre la tomate fraîche, ça aide à réduire le côté épicé de cette sauce. Ah ouais, ça c'est une grosse découverte, Rabi. Moi, j'ai jamais entendu parler de la sauce à la tomate fraîche. T'as vu, non La tomate, c'est magique. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de la rubrique rose. Merci pour ces beaux conseils. Nous retrouvons la rubrique rose demain avec d'autres informations. À présent, c'est le reportage régional Olivier. Aujourd'hui, nous sommes à Niamey. Précisément à Katako. En bref, au Niger, la calebasse joue un rôle important au sein des communautés rurales. Malheureusement, avec le temps, la calebasse est remplacée par les plastiques et autres oui, mais Olivier, ceux qui l'ont remplacé par le plastique n'ont jamais goûté certainement du lait du chamel ah, servi dans une calebasse. Ah, tu connais l'expérience Effectivement. effectivement. Aujourd'hui, la calebasse est utilisée dans la décoration des maisons et des bureaux. Moutari Mahamadou s'est intéressé à la commercialisation de la calebasse. Il a fait un tour au marché Katako de Niamey, suivant son reportage. muna a kasuwar katako wajen masu sana'a sayar da korai ko kuma kwarya idan aka yi la'akari a da dai kwarya tana da matukar mahimmanci wajen yin aikace-aikace da amfanin rayuwa amma yanzu sannu a hankali amfani da kwarya yana sha baya inda ake maye gurbin kwarya ko korai da waɗansu kayayyakin amfanin zamani. Jibo Hamadu wani tsoho ne da na tara a cikin shagonsa yana ta fama yi wa korai ado wayanda yake wa ado masu su matukar sha'awa yana sayarwa ko ya ya koyi wannan aikin Allah yo ibi sigiri waran ka kai go gaso dum man don da sai dandanan man zama borai ka kai dai na gogate do tifu no gate hausan kifo ai go jago ate koi aini gunai bai bon ogai ka aina te wana so ka de bol foka don ne so ko don number ko do kaso bonde sai ne tawo so de so bonde ne ga dum ya ce ne ma ku mu kalam ku bai ka ba nan kan me ga bai ma gai ku da tono da ma gai ami yegi barkata fo koyne ay wasinde dabil fo kayta sebe don dana dana ay mana don don morfo bando ke di dei wate ne mo ay furara zama e woni ni gote da ika ga de isi e ade de mana nan no igi dei ne rendo kala kala no zam bore ku de mi man tafo gine mo man tafo bari bum boy de mo ki te da husan ce kanda idde mi man tafo so woni mo ino rogo ba do woni noro woni ya priya asindi meno sene singa bengo to ami yo di nera igi nera hisu fo zangu kina zangu da wogu so a fon yi da ba zangu mu da dabai wani tsoho ne da yake sana'a sayar da kwarai a katako ya bayyana mana inda ake fitowa da kwarai da kuma farashin su ana sayan kwarya amma ba ta ciniki kwarai yanzu ciniki sai a hankali kaɗan kaɗan yake ciniki ba ciniki kwarai kuma kwarya ana kawo ta daga Najeriya muna da kwarya amma ta Najeriya ta yi ƙarfi kuma sun yi samun ta da yawa aikin kwarya na da yawa anan nan ka gani in gona ake aikin gona sai da ƙwariya hatsi har ka sulu sa'atin sai da sai da ƙwarya su suka da ƙwarya ake yi hura da ƙwarya ake damunta shan hura ma sai da ƙwarya sai da da lidi na ƙwarya ne ana ado da ita na daki ana hada ƙwarye ana hada su da lidi ana hada su da waya hoyi ai ado na daki. ƙarama ƙwarya farashin talaban akwai ta hamsin akwai ta da dari babba akwai ta jika akwai ta jika da su akwai ta dari sai ka salo shi ne wani akwai abin yanzu ya kamar kage ba kan cinikin wani bin iya kiya kuma zai je kaba kashi an ka baka hmm. ya kiya shi da wanci ko kana son cinikin babu bayan amfanin korai da ada aka sani yanzu ana juya ta wani sabon salon zamani inda mata suke kawata su domin adon ɗaki na tarar da wata mata da ta je kasuwa sayan korai wayanda take zuwa tana sayarwa mata suna yin adon ɗaki gasu na su ne da gasu tabulon kulen noiru wa gadan fuga ni gadan ga talon aga bor gum gumo hin za zo gundo ha kuno rigida wa hanka han habote reino muna bar kagada ai kagada ne mu koi nera a birni dai ba a faye amfani da korai ba idan aka danganta da ƙauyuka da har yanzu suna amfani da korai wajen aikace-aikace na gida kamar wajen daka da sussuka da kuma tanadin kwarya wacce ana kawata ta da ado kala mai kyau domin sakawa mai gida wura a cikinta wanda ake kira da gidauniyar mai gida. masu sauraron mu muna bisa Nijar Kalangu Mutari yana tare da mu yanzu za mu tambaye shi wasu eh, tambayuka wala je donc d'abord nous allons te demander mutari euh, Miesa me yasa ka zabe wannan bisa koriya madalla malam tajisir ina maka godiya sosai ba shakka na yi rahoto dangance da abin da ya shafi kwarya kuma abin da ya ɗan ja hankali na shine idan ka saurari a cikin rahoton akwai inda yake bayanin cewa yanzu haka kwaryan da ake amfani da su a nan Nijar an fi amfani da su waɗanda ake zuwa daga Najeriya ake zuwa da su to kuma sai ya kasance amfani da kwarya ya fara raguwa ana maye gurbin kwarya da wasu kayayyaki na zamani kamar irin su robobi da irin su kwanoni waɗanda sun yi kwari kamar suna daɗewa fiye da kwarya to amma abin da za ka iya fahimta har yanzu wanda ya saba amfani da kwarya eh. in ka kame wani kwano ko wani roba haka gaskiya sai ya gani cewa kwaryar da ya tafi in ka ɗauka a ƙauye ana amfani da ƙwarya sosai har yanzu har gobe eh, in ka ɗauka abin da ya shafi eh, daka a sarrafa hatsi har su zanhura eh, da ƙwarya ake amfani da su in za a yi sussuka da ƙwarya ake yi akwai wasu manyan ƙwarya wanda ake cima mabakaci da su ake amfani da su to amma sai kasance a nan birni duk da yake a dama a can ƙauye ana amfani da ƙwarya ana yin ado da su ana musu wani ado ne sosai a ƙawata ɗaki yaki to amma wannan ya ɗan ja baya wanda nan birni mm. eh, abin da ya sha bamban cewa maimako a yi amfani da su wajen a sahura ko a sa mm. wasu abubuwa na amfanin rayuwa sai kasance ana kawata ɗaki ne mutanen nan ya mai eh. musamman birni sun fara gane cewa abubuwan nan na gargajiya suna da muhimmanci. To mutane yanzu muna so mu sani ga saboda mutane yanzu ba su amfani da wannan koriya. Babu mutane wanda suka yi eh, eh, aikin shi ko mutane mai na ilson plien terese. eh har yanzu akwai ana amfani da kwarya amma dai kamar yadda shi wanda na tarar da yana faman gyaran ƙwarya hmm. ya iya ado sosai yana mun ƙwarya ya ado yana min bayanin cewa mafi yawa ma su in suka aka musu daga najeriya sun fi shiga ƙauyuka suna ta ne a ƙauyuka suna cin kasuwanni ta nan suke sayar da kayakinsu Nagode, tu vas repartir bientôt là-bas, non Parce que là, tu nous as ramené des choses intéressantes. Merci. Merci beaucoup, Motari. Chers amis auditrices et auditeurs, c'est l'heure pour nous de parler sport dans cette émission et Asumi Gourouza est déjà avec nous. Bonjour le vieux, comment ah, tu vas Bonjour, euh, il est là Olivier, il est là Tajissir. Ouais, nous sommes tous là mon vieux. <laughs> ça va très bien. Euh, Gourouza, le stade général sera réhabilité dans les mois à venir Oui, effectivement, Tajissir, le ministre euh, des Sports a reçu hier matin l'ambassadeur de Chine au Niger pour le projet de réhabilitation du stade général Sénikounché de Niamey. Une visite d'ailleurs est prévue dans ce mois d'avril pour avoir une idée des besoins des travaux nous y reviendrons un peu plus en détail. Le classement FIFA est sorti pour les équipes nationales, n'est-ce pas, Goza ah oui, Olivier, l'instance suprême du foot mondial a publié euh, son traditionnel baromètre mensuel des, des sélections nationales. Le Brésil du roi Pelé occupe la première place euh, mondiale, suivi de l'Argentine, la France troisième, quatrième la Belgique euh, et l'Argentine cinquième place mondiale. Alors, Gourouza, qu'en est-il des équipes nationales africaines ben, Le Sénégal est le premier pays africain avec 19 euh, euh, places. Euh, il occupe la 19e place. Deuxième pays africain mondial, le Maroc, puis l'Égypte, troisième pays au classement mondial. La Tunisie vient en quatrième position, suivie du Cameroun, du Nigeria, le Mali, la Côte d'Ivoire, 47e place, le Burkina Faso, 50e place, euh, la Libye 120e place, le Niger 122e. Mais il faut souligner que le Niger est devant le Togo, le Soudan, la Tanzanie et le Tchad. Alors, Gorouza, la FIFA a annoncé lundi dernier le retrait au Pérou des droits de l'organisation de la Coupe mondiale U17 de la FIFA 2023. Oui, dans un communiqué de l'instance suprême du football mondial, la compétition est prévue pour se dérouler le 10 novembre au 2 décembre 2023. Mais malheureusement, le Pérou n'a pas pu assurer. Cette décision fait suite à l'incapacité du Léman de euh, tenir ses engagements dans les préparations, parce que vous le savez, la FIFA ne badine pas des infrastructures indispensables à la bonne tenue de l'épreuve précise la même source. Le bureau du conseil de la FIFA désignera d'ailleurs un nouveau pilote dans les meilleurs délais. Affaire à suivre. Oui, oui, affaire à suivre. Avant de terminer cette passeport, parlons de la Champions League africaine. Oui, Olivier, euh, la phase euh, de groupe s'est achevée le samedi dernier et sans grosse surprise, euh, les principaux favoris participeront au quart de finale de l'épreuve Reine continentale. On retrouve 6 des huit équipes déjà présentes en quart de finale en 2021-2022. Seuls SCTIF et Petro Atlético sont remplacés par JS Kabylie d'Alger et Simba de Tanzanie. Le champion d'Afrique en titre, le WAC, était qualifié avant même la dernière journée qui s'est déroulée le samedi. Notons que le Maroc et l'Algérie comptent deux représentants et le tirage au sort des quarts de finale est prévu ce mercredi 5 avril au Caire, en Égypte. À très bientôt pour une nouvelle rubrique sportive. Merci beaucoup, Gourouza. C'est le moment pour nous d'écouter, chers auditeurs et auditrices, les portraits proposés par Farid Bourema. Le portrait d'aujourd'hui nous amène à la rencontre de Ali Moussa Amadou, plus connu sous le nom d'Amadou l'homme polyhybride. Il est artiste, comédien et chanteur. Farid Boureima est allé à sa rencontre. Bonjour, euh, monsieur Ali Moussa Amadou. Bonjour. Qui est Ali Moussa Amadou Ali Moussa Amadou, c'est d'abord un étudiant à la faculté d'agronomie, après aussi un créateur de contenu sur euh, Facebook, disons communicateur en quelque sorte, et aussi un artiste polyvalent. D'où mon nom d'artiste qui est Amadou, l'homme polyhybride. Justement, pourquoi le choix de Amadou, l'homme polyhybride Le choix de Amadou, l'homme polyhybride, c'est un choix qui a été mûrement réfléchi. C'est parti du fait que je sois étudiant, artiste, et communicateur en quelque sorte, ça fait déjà trois choses pour une seule personne. Après aussi le côté artistique, les casquettes sont nombreuses, c'est-à-dire que je suis acteur de cinéma, comédien, danseur, chanteur, chroniqueur télé. Donc toutes ces casquettes ont donné naissance à ce nom, Amadou, l'homme polyhybride. Polyvalent à plusieurs euh, arts. Oui, c'est-à-dire, euh, poly, c'est de la mathématique, ça veut dire beaucoup. Et hybride, ça vient de SVT, ça veut dire quelqu'un qui a deux gènes, la vie professionnelle et le respect de ce que je fais. Parce que je l'aime, j'ai décidé de tout prendre et de me mettre à travailler autour de ça jusqu'à atteindre euh, l'objectif escompté. Quel est cet objectif justement que vous vous êtes fixé L'objectif, c'est vraiment de devenir un artiste avec grand A. Comme on le dit, un artiste qui vit dans le temps, fait la promotion surtout de la paix, la cohésion sociale l'unité et l'amour autour de soi. Où est-ce que vous avez appris ou bien conforté ce talent de polyhybridisme-là que vous vous êtes euh, donné euh, le talent de polyhybridisme, il y a une citation que j'aime euh, très souvent dire aux gens, rien ne se passe dans ta vie par hasard. Dieu te fait vivre quelque chose, bien te fait découvrir quelqu'un. C'est pas parce que ça n'a pas d'importance. Si tu prends ça avec deux mains, tu essaies de réfléchir, voir l'avantage que tu peux tirer, tu vas apprendre quelque chose et tu ne sais pas là où ça va t'amener demain. Quand j'étais enfant, à l'école, on faisait des chansons, surtout quand on fait les, les inter-écoles. Nous, on faisait des interprétations de chants. Là-bas, j'ai appris à me tenir devant le public. Après, le côté danseur était venu, on dansait les Toufan, les Arafat, de 2009 jusqu'en 2012-2013 comme ça. Après, il y a eu le côté comédien, parce qu'à des moments, je faisais des imitations de gens, à un moment donné, je, je reprenais les sketchs de Olam. Donc après un temps, je me suis assis, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, je ne fais que faire des choses d'un moment à un autre. Et souvent, quand je me retrouve dans certaines situations, la chose que j'ai fait dans mon passé, René. Un jour, je me rappelle, on est parti à une activité. Le maître de cérémonie a lâché les organisateurs. Et je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui les a amenés de, me demander d'animer. Et voilà, j'ai dit d'accord. Je me suis mis juste de côté parce que moi, le jour-là, j'étais venu en tant qu'artiste et non animateur. Et paf, je ne veux pas dire que j'ai fait comme les grands animateurs, maître de cérémonie, mais quand même, comme le disent les Allemands, Enika C'est en quelle année que vous avez vraiment conforté votre euh, assise d'artiste la d'artiste, elle a commencé à partir de 2017. C'est même là que j'ai créé un compte YouTube. En tant que débutant, on faisait des, des, des, des petites vidéos et bien souvent on reprend même des chansons de certains artistes on fait des parodies ou bien on entend une chanson, on lui fait un clip à notre façon. C'était vraiment en 2017 que l'artiste a commencé à s'imposer. Et après, à partir de 2018, la professionnalisation du métier s'est imposée. On sait qu'au Niger, euh, un artiste euh, qui est confirmé, il y a toujours la pression familiale, le cadre social et culturel qui euh, exerce une pression. Est-ce que dans votre cas, ça a été pareil Dans mon cas, ça a été pareil, mais je dirais plutôt, tout surtout dans le début. Parce qu'avant 2017, 2016, 2014, les années là, j'ai eu des problèmes parce que en ce temps, j'avais commencé à faire des vidéos et ça commençait à circuler sur les réseaux pof, intoxication systématique. Des gens sont partis dire à mon vieux que je suis devenu voyou, bandit. Et le pire, arrivé en 2017, j'ai commencé à, faire des prestations télévisées. à un moment, Télé Sahel m'appelait ou bien ils appellent le groupe pour qu'on fasse des sketchs qu'ils vont filmer, réaliser et diffuser sur des émissions. Là, c'est là même que tous les problèmes se sont enchaînés successivement. Et ça a fait qu'à un moment donné, pour répondre. J'ai pris un recul parce que à un moment donné, j'ai fait un an, je suis assis, je ne fais rien. Je me suis dit, bon, vu que j'aime ce côté artistique, comment est-ce que je peux le faire sans que les gens ne s'en rendent compte euh, Le côté humoriste était venu. Je me suis dit, ok, d'accord, je veux être humoriste, mais humoriste qui s'habille très bien, il vient, il fait rire les gens et il part. Comment est-ce qu'ils ont fini par accepter votre carrière d'artiste Ils ont fini par l'accepter à partir d'un certain temps où ils ont vu que ça n'empêchait pas mes études. Et deux, ça me permettait aussi de me gérer financièrement. Merci beaucoup Farid Bourema pour euh, ce portrait de Ali Amadou. Maintenant, à présent, chers auditeurs, nous sommes dans la rubrique recettes culinaires et aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir l'un des plus célèbres plats des Touaregs. Il s'agit des tête. T'as déjà goûté ça ah, beaucoup même. <laughs> Pour ceux et celles qui ne le savent pas, ce sont des crêpes faites à base de semoule ou de farine de blé. Excellentes pour déguster le mouton targui ou encore les soupes légères. Madame Goumour Amina Abdou nous livre ce secret, un secret recueilli par Fanta Chamsou. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour préparer le Elfetat. Le Elfetat se prépare normalement avec de la semoule de blé, mais vous pouvez aussi le faire avec de la farine de blé si vous ne trouvez pas de semoule. Et comme la plupart des recettes traditionnelles, c'est une recette simple qui ne contient pas beaucoup d'ingrédients. Vous allez tamiser la semoule, rajouter un peu de sel et enfin vous allez mettre l'eau progressivement. Il faut avoir une pâte un peu souple mais pas trop liquide. On utilise la poêle à alphétate spéciale ou alors vous utilisez une poêle anti-adhésive. Vous déposez à feu doux et vous allez étaler la pâte au fond de votre casserole ou au fond de votre poêle avec les doigts. Vous pouvez mouiller vos doigts légèrement pour que ça colle pas. Vous faites cuire sur les deux faces et vous réservez. Poursuivre jusqu'à la fin des ingrédients. Le alfetate se sert avec une sauce ou avec le mouton targui. Vous pouvez découper en petits morceaux et arroser avec votre sauce ou les plier et déposer et mettre la sauce à côté. Bon appétit. Merci beaucoup, madame. Il faut attendre 18h, bien évidemment. Pour la rupture, à présent, il est temps d'écouter le loti des femmes du studio Kalangu. Le lotis des femmes du studio Kalangu nous édifie aujourd'hui sur des astuces qui permettent aux femmes d'avoir un très bon teint avec une peau éclatante, sans utiliser les produits cosmétiques éclaircissants. Loti, loti, loti. bore de ma hmm irwai e bore tus tuso ga dai ne go fungu choro matuno irga te girga ha mai wa hanse kan man tundu no rubobu biya walla ga cim choro zamgi bobo gona kan ni sibai matkini teda amma burkan sibai sibai no ni bai wala kan ni di lemu kai follon kowo dinna murgun dayu ga tusin mundu maga ga toni mundu maga yutuno muluk wala mo nimu duni gi cire ga tu ga hamu gaga surace wato gani nimu koi ga nyumai aha son wodi hin na wasa hankana man ban nimu ye du hawa kwai na kan ni gadan habuga nimu so bai ga tusun mundu maga wala mo kwai na nimu duni bulan gaji wala hilba giyo karra ni sukar kai na lotti nimu so bai gin ga hamo mu to choro dinna wadin kulte ni ga di mamaki hano din hano wo kai dai mai gida nuno hukunci <laughs> ah to ya dinga borum kaga haudan boraim su nan banda oho me amma bisa ni no rubo ba danga ga ham gidai kangin takabarau aminu mondu ma ton go kukura ni se Ni ga sun ngai bena danganda ni si borai borai si min ni ko dai borwa borai wallahi <laughs> Merci à Rafika Taher et Roukayatou Abdourahman pour ces moments de conseil. Chers amis auditrices et auditeurs, nous sommes presque à la fin de ce rendez-vous et c'est la rubrique et c'est la rubrique culture linguistique que nous allons suivre à présent avec Moussa Hassan. Ouais, le mot du jour, actualité oblige, nous allons aborder dans le carême. Le carême, c'est un temps de dévotion à Dieu associé à une alternance de jours de jeûne complet ou d'abstinence d'une durée de 40 jours chez les chrétiens, instituée au 4e siècle, en référence aux 40 jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert. Mais ce n'est pas la même chose que le ramadan que les musulmans font, qui est le neuvième mois du calendrier égyptien, seul mois, euh, seul euh, mois dont le nom figure dans le Coran, ramadan, qui est pour les musulmans le mois saint d'excellence car il constitue le mois de juin et contient les lettres Qadr. Et le ramadan constitue le cinquième pilier de la religion musulmane. Et là, l'abstinence, c'est l'arrêt total, nourriture et boisson, pendant toute la journée. Mais le lien entre les deux mots, c'est le jeûne dit, qui est une privation volontaire de nourriture accompagnée ou pas de boisson. Le jeûne spirituel ou religieux est la plus ancienne forme de jeûne pour les chrétiens, carême, pour l'islam, ramadan, pour le judaïsme, yom kippour, ou le bouddhisme ont intégré toutes ces pratiques. Donc, chaque religion a sa manière de faire le, jeûne à en référence à cette religion. Et eh, en zarma, qu'est-ce que ça donne En zarma, ça veut dire eh, mehawoka irgo gite wo addini no kanda. Am gonda wana kan igite alwata banda kan ga eh, yesu dondon kan na ta dondon da amma wo Idar salama saban kala hijira a wani handu yagganta wani handai yagganta ngi hinna ma yo mo no go ramadan nga mo igate no mango ni ngwaro ino kak kak kak merci waranza. et aujourd'hui ramadan jeûne c'est mehau mehau merci merci beaucoup merci beaucoup cher Moussa Kaye, nous sommes arrivés au moment où l'antenne appartient à nos auditeurs. Suna na Fatsima Ahmadu Karce daga To ina gaida kowa da kowa musamman zuwa ga shirin nan da ake na mata na Kalangu. Lalle da ba mu sauraron shi amma yanzu muna sauraron shi ɗari bisa ɗari. Muna so a ba shi bisa ga wannan al'amari dan mata su rika saurari da yara musamman ne yake kawo cika tsakaninmu da yara mata kenan a rika waye musakai. kai. na gode kuma allah ya taimaka allah ubangiji ya ba da kokari a cikin wannan al'amari musamman bisa harka shaye-shaye na muna so a rika waye ma yara kai a san abin da suke ba ci gaba ba ne kenan su nema abin da zai ba su karfi bisa rayuwarsa ta gaba eh haka muke fata kuma allah shirya mana da duka da diyan bisulmi Ni sunana Suleiman Mutari, ni mai sauraron Studio Kalangu ne a koda yaushe. Kullum ina sauraron labarun su, ina sauraron shirye-shiryen su na kiwon lahiya da zamantakewa da al'adu duka ina saurara. To kash mu abun da ya rage mana a Studio Kalangu. Shirin da ake yi na mun ji ana yi a maini da gegime, to mu bai zo mana ba. Ya kamata a ce shirin na sha ɗaya, a ce mu ma dihowa ana yin shi don mu karu mu ma da ayyukansu. saboda ayyukan nan ban masu mu wani abu yana barin mu saboda mu yanzu studio kan ko ya bar mu ma kira muke lamba biyu uku biyar mu kira kuma daga karshe ina gaida ma'aikatan gidan radiyon studio kalangu da abokanan zaman mu na zandar da na difa ahmed Avant de se dire au revoir, chers auditeurs, recevons Nafissa Adamou Sirfo pour les titres du soir. Bonjour Nafissa. Bonjour Ali. En effet, dans les éditions d'information de 17h, nous parlerons de la mission de travail du ministre de la Défense et celui de l'Intérieur de la région d'Agadez. Il sera aussi question de la première réunion du Conseil d'orientation du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires du Niger qui s'est tenue hier à Niamey. Enfin, dans le magazine du jour, vous entendrez les solutions que proposent les autorités nigériennes pour faire face à la migration irrégulière. Rendez-vous donc à 17h. Merci Nafisa. Nous sommes à la fin de cette aventure radiophonique. On se dit au revoir. Bonne suite de journée à vous et merci pour votre fidélité. Merci Séni Saka pour la technique. Merci Adam Adawaki, notre chef d'édition. Et surtout, chers amis auditrices et auditeurs, merci à vous. Le Niger sur Kalangou, c'est fini pour aujourd'hui, mais rendez-vous demain avec un autre duo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.